spécial rentrée des classes ah ou école bi ñëw na une société SIPEX une société industrielle papeterie express pour Sénégal am équipe dynamique te qualifié à 100 pour jeunes sénégalais jeunes' seeni machine industrielle de la haute technologie Dylan proposait proposer la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée la SIPEX lance le cahier Teranga en couverture plastique et en couverture cartonnée avec une promotion exceptionnelle la CIPEX lance cette année Kayeteranga à promotion Boumouchaï. le paquet de 200 pages avec les 5 pièces à 1400 francs Le am Sénégal le paquet de 100 pages avec 10 pièces à 1400 francs musta am Sénégal stock limité une promotion disponible en couverture plastique 60 grammes et 80 grammes une boutique agréée librairie papeterie Mohamed Bourguiba LPM Sandaga LPM Koloban. LPM Kaulak LPM Tilen LPM Kurmasar. Hello Partenaires GBIS Mour GBIS Kaulak LPM Boon, centre commercial Al Maktoum la CIPEX et la LPM toujours au service du social les commerçants et les parents d'élèves nous vous proposons des produits de qualité supérieure à petit prix avec le cahier Teranga la qualité saute aux yeux des prix exceptionnels en carton sont prévus pour vous les commerçants et grossistes pour tout renseignement contactez-nous au 77 633 21 24 ou le 77 571 07 02 dañuy jëflante ak mairie yi dañuy avec ak municipalité yi ak ministères yi ak ñi nga xam bonne volonté yi bëgg a ci jang pour xalé yi ngeen ñew ñu jox leen ay cahier ci ay njëkk yu yomb ngeen dimbali xalé yi ndax éducation moy defar réew